Chers membres de l'assistance, bonjour. Chers leaders, candidats aux élections présidentielles, nous vous remercions vivement pour votre présence car elle témoigne de votre intérêt euh, dans, une, gestion meilleure euh, du Niger. Il existe euh, deux grands facteurs favorisant les conflits et la stagnation du développement. Ces deux facteurs sont la pauvreté et les inégalités, qui aussi, dans un cercle vicieux, sont accentués par les conflits. C'est vrai que des mesures ont été prises toutes ces années pour lutter contre les inégalités. Cependant, un renouvellement de cet engagement est essentiel pour développer des politiques plus efficaces de réduction des inégalités permettant de faire face à la fragilité économique et sociale de ce pays. Celle-ci sera peut-être aggravée par la crise économique liée à la pandémie Covid-19, qui risque d'accentuer euh, les inégalités et d'ébranler encore plus la stabilité de la société nigérienne. À la fin de la séance, nous allons remettre un cahier de déléance euh, qui trace les chiffres, des chiffres précis sur la situation des inégalités au Niger. Ces chiffres proviennent d'études récentes et, euh, référencées. Et euh, ces chiffres montrent encore toute la gravité des inégalités qui persistent malgré toute la lutte qui a été menée auparavant. Ce cahier comprend aussi les détails de toutes les doléances que nous espérions que le candidat gagnant au présidentiel commence à appliquer dès les premiers jours de, sa gestion. Il est vrai que les défis sont grands, les défis sont insurmontables, comme on dirait. Comme dirait Nelson Mandela, c'est impossible jusqu'à ce que ce soit possible la plus grande force motrice sur Terre s'appelle la volonté humaine, et de surcroît la volonté politique, parce qu'elle est couplée à un pouvoir. Et bien sûr, la gouvernance, la bonne gouvernance est une condition incontournable pour la victoire contre les inégalités et la pauvreté. Je vais finir par un point sur la pauvreté c'est vrai que quand on entend les discours de la causalité de la pauvreté, et qui fait référence au taux de natalité élevé du Niger, c'est vrai que ça décourage euh, tout candidat et tout, euh, tout président de la République, a priori. Mais je pense humblement que l'ordre des causes est inversé. L'expérience de plusieurs pays dans ce domaine et la connaissance des réalités locales suffisent pour comprendre que ce n'est pas le grand nombre d'enfants qui engendre la pauvreté, mais c'est la pauvreté qui engendre le grand nombre d'enfants. Logiquement, une famille qui jouit de ses droits, qui mange à sa faim, qui est instruite, autonome, informée, connectée, qui habite avec un minimum de confort, c'est-à-dire un toit, de l'électricité, de l'eau courante, la télévision, une école à côté, un centre de, soins pas loin, des routes praticables et une activité rémunératrice, cette famille va progresser d'elle-même vers sa propre planification familiale. Parce que autonome, sensibilisée, éduquée, informée, elle intégrera naturellement la grande importance de l'espacement des naissances sur la qualité de la vie, sur la santé et sur les perspectives d'avenir des membres de la famille. Comment convaincre un couple que ses enfants trop nombreux empêchent le développement d'un pays quand sur ses sept enfants, il y en a peut-être deux ou trois ou quatre qui vont mourir avant cinq ans Comment leur parler quand les tâches domestiques de la mère sont si pénibles et sa santé si anémiée que ses filles vont elles-mêmes faire le choix de rester aider leur maman au lieu d'aller à une école qui se trouve si loin. Ou se mettre dans un mariage précoce, synonyme à leurs yeux de lendemain meilleur. Comment dire à un père cultivateur que sa progéniture engendre la pauvreté du pays, alors que ses enfants représentent sa principale richesse et son capital humain Nous mettons au défi n'importe quelle gouvernance ou n'importe quel système d'aide au développement, de s'investir pleinement dans le bien-être de la population en se concentrant sur des outils de développement de base, inclusifs, équitables, pertinents pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités. Et plus jamais la nécessité d'inverser les causes ne se posera. Je vous souhaite à chacun, chers candidats, au présidentiel, à chacun une très belle campagne et que le meilleur gagne.